Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Et cette rubrique reçoit l'art et ses qui le L'art, c'est pas que la musique, c'est pas que la peinture, c'est pas que le théâtre. Aujourd'hui, nous allons découvrir un certain nombre de choses artistiquement artistiques, puisque celle que nous allons recevoir sous cette émission est une jeune femme entrepreneur nigérienne, titulaire d'une licence en finance banque et master en management marketing. Elle est fondatrice de deux startups, Nawa et J'aime ma nation. Elle est aussi un ancien mannequin passionné de la mode. Nika créa et sa marque de vêtements féminin dédié à la femme et à l'enfant. Elle réalise aussi des confections pour les tout petits et pour certains hommes, comme moi. C'est elle qui m'a habillé aujourd'hui. Lei, ans de gentlemen, dans quelques fractions de secondes, nous allons recevoir l'artiste Monique Elisée. Comment tu vas? Dis-moi que tu vas bien. Non, j'aime la forme. Dis-moi que tu vas bien. Dis-moi que tu es forte. Je vais très bien. Tu vas très bien. <laughs> tu peux être la forme Ouais, ça va. Super. La mode. Ouais. C'est quoi la mode selon toi pour moi, euh, la définition, elle est simple. C'est quoi euh, la simplicité de la définition C'est mon choix, c'est mon choix vestimentaire. Tout simplement. La mode, c'est mon choix vestimentaire. Voilà. Alors pourquoi toi, tu as opté pour ce choix Parce que je vois déjà que tu es tradit, moderne jeɓɓa pañi keyna hay fode so hay tangara mosora zarme wana hay fode hay fon kangi mande qu'est ce qui explique cela alors, alors moi j'ai fait ce choix parce que on a, on a beau dire que par exemple le wax euh, euh, c'est pas africain. C'est quand même les motifs euh, qui parlent de l'Afrique, des, motifs inspirés de, nos, euh, de, nos, de notre environnement, de nos paysages. Donc pour moi, on peut utiliser déjà ce levier pour parler de la culture africaine. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc tu es avec le concept selon lequel le séjour d'un turner dans l'eau ne le transforme jamais en crocodile. On doit rester à la maison, valoriser un peu nos pagnes et tout ce qui va avec. Ah L'idée est venue d'où, s'il te plaît Alors, euh, vous avez lu tout à l'heure ma bio. Tout à euh, fait. je suis ancien mannequin. Oui. Et euh, je voulais être une star des podiums. OK. Mais j'ai viré un peu. J'ai laissé le mannequinat pour continuer à vivre mon rêve, voir d'autres personnes défiler dans mes créations. On voudrait parler surtout sur ce premier tangle diffusé sur l'émission Franco Aoussa de l'artiste en question Monique Élysée. Alors dites-nous, parlons du, euh, cursus euh, scolaire, si tu veux, pour ensuite aboutir au cursus professionnel. Alors, je m'appelle Monique Élisée, donc euh, je suis titulaire d'un licence en en finance banque. Bien sûr. Donc à la base, euh, j'ai vraiment une formation, un diplôme de banquier. Banquier. Oui. Et euh, après, euh, j'ai viré vers le management parce que je voulais savoir vendre un produit financier. Donc j'ai un master en management marketing. Exactement. <laughs> Donc pendant sept ans, j'ai travaillé dans une société de gestion financière. Sept ans ou bien sept ans. Sept ans. 7 ans. Ouais. <laughs> Oui, pendant oh. sept ans. Donc j'ai travaillé dans une structure financière en tant que conseiller en investissement boursier. Ok. Et euh, après, j'ai démissionné. De là-bas De là-bas pour euh, me concentrer sur ce que j'aime le plus, c'est-à-dire la mode. La mode, bien sûr, tu as tout ce qu'il faut, la taille qu'il faut. Et aussi euh, belle, comme on dit. Alors, c'est pas Mustapha qui va me contredire que de l'autre côté. Alors, on va parler un peu de ce cursus. Ma, mo, ma, nous, qui, Nial. C'est mes termes à moi, en fait. <laughs> Parlons de ça. Quand est-ce que c'est venu Quand est-ce que tu as commencé Quand est-ce que. Euh, quand est-ce que. Alors, en 2011. 2011. Non, il déjà, ans. Disons, 2008 d'abord. 2008. Voilà, donc j'ai participé pour la première fois à l'élection Miss euh, Tourisme Niger. Ok. Et euh, j'ai été sélectionnée en tant que première dauphine. Waouh. Et euh, j'ai là, j'ai vu euh, mon amour pour euh, tout ce qui est mode. Donc, ça a été l'année. Parce que généralement, je suis une personne timide, mais quand je suis sur les podiums, j'ai une confiance de ouf en moi. et euh, je me suis dit, j'aime ce, ce truc-là que je suis en train de faire. Et je me suis lancée là-dedans. J'ai défilé après pour des stylistes de la place. Euh, et, voilà, et en 2011, j'ai lancé ma marque euh, Nika Crea. Euh, on m'appelle Monica, donc on dit Nika, Nika, comment tu vas Donc je dis, ok, je prends Nika, et au lieu de dire création, je prends Crea. Donc, wow, on va parler de cela dans un deuxième angle. Nika Crea, la page et tout ce qui va, et les créations. Est-ce qu'aujourd'hui tu as un message, un message à l'endroit de la jeunesse nigérienne qui suit cette émission Mais je veux dire que la culture africaine, il ne faut pas se perdre. Exactement. Il faut qu'on garde une identité. peu importe ce que tu aimes porter, c'est comme ce que je porte là. Mais j'ai ajouté une touche africaine ah ah. pour dire que je suis là à travers euh, ce que je porte, à travers euh, ma coiffure, à travers euh, mes accessoires, pour dire que on m'identifie rapidement, peu importe où je, je, je, je, me retrouve, peu importe ma situation géographique, on m'identifie rapidement. Donc, ne vous perdez pas. Gardez une touche qui rappelle d'où vous venez. Voilà. Monique, Don dit la machine. Prennent congé de vous. Restez en compagnie de l'émission Tous à la Fada. Keri, Keri, Keri, Keri,